fidélité au programme du studio Kalangu, chers auditeurs et auditrices. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, Rabia Meikano et Habiba Ahmed. Habiba, comment vas-tu ce matin Je vais bien, Rabi, et toi Ça va super bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui comme d'habitude, nous débutons cette édition avec le flash d'information. Dans ce numéro, nous aurons également la rubrique Écho des régions qui nous amène à Conny pour parler de la vente et de la consommation de stupéfiants par les jeunes. Et nous recevrons comme invité Madame Hawa Adam, greffière et juriste de formation et véritable passionnée de cuisine. Elle est l'auteur du livre Trésor culinaire du Niger. Nous aurons la rubrique hebdo consacrée à la justice les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu à notre page sport. L'édition est assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni Isaka. On débute cette émission avec les flashs d'information présentées par Rafika Taher. Bonjour, Bonjour Rafika. Bonjour les filles, comment vous allez ça va. Quelles sont les nouvelles ce matin Alors, pour ce matin, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont, à travers une charte dite du Liptako Gourma, décidé de créer une alliance des États du Sahel. À travers celle-ci, ces États réaffirment leur attachement à la légalité internationale et régionale, consacrée notamment à la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine et le traité révisé de la CDAO. fidèle aux objectifs et idéaux et idéaux de l'autorité de développement intégré des États du gourma et guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, le Niger, le Burkina et le Mali s'engagent à renforcer les liens séculaires entre leurs peuples, à exercer pleinement et à veiller au respect de la souveraineté nationale et internationale. Ils sont également résolus à défendre l'unité nationale et l'intégrité des États respectifs tout en considérant les menaces multiformes à l'espace commun aux trois États está. Ensuite, le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, M. Liu Yuxi, a exprimé samedi sa satisfaction après être reçu par le chef de l'État nigérien, le général de brigade Abdraman Chani. Après des échanges très approfondis sur les relations entre la Chine et le Niger, le représentant chinois ajoute que son pays ambitionne de poursuivre et de développer cette coopération qui est déjà fructueuse et approfondir l'amitié entre le peuple chinois chinois et le peuple nigérien et plus entre le peuple chinois et les pays africains. Pékin, au nom de son principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, poursuit sa coopération avec Niamey. Du 15 au 16 s'est tenu à Havane, à Cuba, le sommet du groupe des 77 plus la Chine. Le sommet a pour thème les enjeux actuels du développement, rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Dans son intervention, Yao Boukari Sangare, le ministre des Affaires étrangères et la coopération, qui a conduit la délégation nigérienne, a entre autres expliqué la situation qui prévaut actuellement au Niger et réitère la détermination du peuple nigérien la houlette du CNSP, a mené la refondation du pays. Merci, bien, Rafika. À bientôt. À bientôt. Dans quelques instants, nous aurons le privilège d'effectuer un délicieux voyage culinaire à travers les plats du terroir. Et ça sera grâce à notre invité du jour, Madame Hawa Adam, auteure du livre Trésor culinaire du Niger, tome 1. Bonjour Hawa. Bonjour Madame Hawa. <laughs> Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant d'entamer notre discussion, écoutons d'abord cette composition du guitariste Touareg Abdellah Ak Oumadougou. Il commence à jouer la guitare à l'âge de 16 ans. Il a développé sa carrière musicale en Algérie puis à Agadez où il réussit à imposer son style à tous les guitaristes de sa génération. Ce titre Ahar Thomas fait la promotion de la paix, la culture touareg et la cohésion sociale entre les différentes communautés. L'artiste nous a quittés le 4 janvier 2020 à Agadez mais ses œuvres restent immortelles. Ses fans continuent à écouter chez Samson plein d'essence. j'espère que vous avez bien aimé euh, ce début de sélection musicale. Revenons à notre invité du jour. Rebonjour Madame Hawa. Bonjour. Vous êtes greffière et juriste de formation. Comment vous êtes retrouvée dans le domaine culinaire Par passion. Ok. Alors, Parlez-nous de votre ouvrage et comment vous avez réussi à l'élaborer. Euh, je sais pas par où commencer. En tout cas, ce qui m'a motivée, c'est que j'étais un jour euh, en voyage et que je voyais euh, les autres euh, faire la promotion de leur cuisine. Et là, je me suis dit, pourquoi pas le nôtre Et là, je me suis pris d'un patriotisme inné et je me suis mise à écrire. Et voilà, le livre est né. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure culinaire et le plat que vous chérissez le plus Le partage, la solidarité, parce que quand les gens ont su que j'avais ce projet d'écriture, les gens m'ont pas mal euh, accompagné pour me donner ou bien me guider dans l'écriture euh, des recettes, parce que c'est avant tout la tradition que je maîtrise pas beaucoup. Ah oui, justement sur l'élaboration, on, euh, on s'est imaginé que vous avez fait le tour du Niger, que vous êtes allé dans les recoins pour euh, recueillir justement ces recettes. Comment ça s'est fait Non, pas du tout. Déjà, enfant, je baignais dans ça. Euh, mon grand-père était sous-préfet. Et étant sous-préfet avant, il a fait tout le tour du Niger avec ses deux épouses qui, euh, naturellement, nous ont transmis cela. Comment Parce qu'au Niger, tout le monde le sait, les premiers-nés sont toujours gardés par leurs grands-parents. Et c'est comme ça que j'ai été élevée par mes grands-parents qui, à travers ceux qu'ils ont connus, à travers le tour qu'ils ont fait du Niger, me l'ont naturellement transmis. Et c'est ça qui a facilité l'écriture du livre. Et c'est d'ailleurs pourquoi je leur ai dédicacé le livre. Ah oui, Avez-vous collaboré euh, dans l'élaboration de, cet ouvrage Vous avez collaboré avec des professionnels du métier Ou bien c'est vraiment le fruit de, voilà, de votre grande passion que vous partagez avec vos grands-mères L'écriture, je l'ai fait toute seule. La recherche, je l'ai menée toute seule. Certes, des gens par la suite m'ont donné des euh, m'ont communiqué des recettes, mais l'écriture, je l'ai fait toute seule. C'est seulement après l'écriture et l'auto-édition, parce que je me suis auto édité que des gens m'ont approché et euh, on dit, hawa cette œuvre, il est magnifique, on ne peut pas le laisser tel quel et on va vous aider à le faire connaître. Et voilà, je suis aujourd'hui à Kalongo à cause de ça. <laughs> ah oui. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, comme plat dans cet ouvrage, dambou, copto et euh, du warao. Nous voyons aussi euh, des plats de, des recettes de niébé, dungurindamo, comme on l'appelle chez nous, Dongwaki, mordom. Ah, vous avez vraiment fait le tour. Est-ce que vous avez pu toucher quand même à toutes les ethnies Exactement, c'est oh oui, euh, effectivement, c'est ça le but, c'est de présenter le Niger en miniature. Et euh, voilà, donc il y a toutes les régions, toutes les ethnies, je crois, qui sont représentées euh, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et vraiment, il y a des choses magnifiques. Il y a, il y a des recettes que j'ai découvertes aussi euh, en même temps que en écrivant ce livre. Donc voilà, voilà. Ben, ok, avant de poursuivre cet entretien, un deuxième tour à musique avec le titre Casso de Maliaro. church in Ogaboli. Wonder my church monsters and my churches in Latali. Churches in Latali, the Mandarga no Siboli. Larga no Siboli, the Mandarga Sigabora. Wonder my fine Natali, the Matali no Siboli. bora lotti jodin ka kaba abonya mai kasora ilatti jodin ka kaba ta sanga ita sai zago sanga aboga dirga willi aboga dirga willi zan kai na Wai kamba chiri sifoyora Sanka polo pasaliyo Unirma faida tali Zama tali no sibori Tali no sibori Zama tali sigabora Oyo yama kama banza Igonya maikasora Por foyo wanda wandi sali Igonya maikasora ká ṣọ́ra. Bọ̀dọ̀fọ́yọ̀ ìṣe ìmíga ìkẹwì ìkọnyàmọ́ ìka ṣọ́ra. Chindomo kwa ẹnu kakonde ìkọnyàmọ́ ìka ṣọ́ra. Chindo fundi ni kaka ìkọnyàmọ́ ìka ṣọ́ra. sola. afọyọ nsarụ n'ọgụgọ nle igbo onye amaghị ka sọ̀ra. chindo gọmnati na ịgachi igbo onye sọ̀ra. sọ̀rọ̀ la. Jindo ala tu bisanli iko nyama ika sọ̀rọ̀ la. Jindo fari wani sanli iko nyama ika sọ̀rọ̀ la. Wanirima faida tali zama tali no sibori. Tali no sibori zama tali si. nom, Brema, c'est un artiste musicien nigérien. Il est auteur-compositeur, originaire de Terra, région de Tulabiri. Ayant grandi dans la culture soraï, il s'en est inspiré pour proposer une musique à la fois dansante et spirituelle. Dans ce morceau, l'artiste nous encourage à travailler parce que seul le travail paye et libère l'homme. Il note surtout la détention de plusieurs détenus par la faute d'escroquerie. sarkin daga yana na sarkin bula yana eh, na wani mafai da tale zama tale sai gaburawo isusu kan ga titi amanan shari'a mabore da shari'a sai kay ikaso kansi bori kutaka lago kaso ay ikaso kansi bori kunasa iko kaso tawuti mi kaso si bori kol kaso si bori danger wanirma faida tali zamatali no si bori Madame Hawa, on espère que vous avez aimé ce titre du Grand Maliaro. C'était très bien, oui, c'était très agréable. <laughs> Alors, dites-nous, à travers votre livre, vous partagez les recettes telles que vous les avez découvertes ou bien c'est votre version révisitée que l'on retrouve Non, telles que je les ai découvertes, telles que ça se faisait avant, au temps de nos grands-mères. <laughs> ok. D'accord. Globalement, que pensez-vous de la cuisine nigérienne et qu'est-ce qui la particularise de celle de la sous-région euh, la cuisine nigérienne, elle est très diversifiée. La cuisine nigérienne, elle est très immense. Euh, et justement, c'est ce qui me fait mal de fois, le fait que les gens s'en tiennent seulement à deux, trois choses, alors qu'il y a énormément de choses. Figurez-vous que dans ce tome 1, il y a 40. Le tome 2, il y aura 40. Le tome 3, je ne sais pas encore. <laughs> Mais pour vous dire que c'est immense ce qu'on a au Niger et on se doit de le faire découvrir. Pas que moi, tout le monde, tout le monde les passionnés ah <laughs> tels que vous. Ah et tout le monde, il y a déjà des gens qui ont écrit, je ne suis pas pionnier, je ne suis pas la première et j'espère que je ne serai pas la dernière et euh, vraiment il faut qu'on la partage. Et ce qui la particularise avec... Euh, pour répondre à votre question, avec les mets de la sous-région, ce sont les épices. Nous avons des épices qui sont propres au Niger, qui caractérisent. Par exemple, vous allez me dire quoi Le Dawa du Niger et le gabou, les loignons euh, l'oignon et c'est ça Oui, c'est ça. C'est ça, l'oignon torréfié qui euh, remplace en temps normal les bouillons. Il a que ça, c'est une espèce. Niger, <laughs> voilà. Merci. Effectivement, il y a qu'au Niger qu'on trouve cela. Et ça, je me dis que c'est déjà un petit plus où on peut se démarquer des autres pays. Et au Niger, des céréales comme le haricot, mhm. ils sont beaucoup transformés. À partir du haricot, on peut avoir du tagil guilé, mhm. de la purée. À partir du haricot, on peut avoir le beroua qui s'assimile au macaroni. Mhm. Et à partir du niébé, on peut avoir des boulettes qui, très euh, riche en protéines. Voilà. Ah, bien. Voilà. Ah ouais, c'est énorme. Nous voyons justement beaucoup de plats africains s'exporter à l'international. Selon vous, comment on peut y parvenir euh, à ce résultat avec nos plats locaux euh, Il faut juste apprendre à aimer nos plats, à en être fier à les valoriser et c'est seulement comme ça qu'ils peuvent s'exporter. La dernière fois, je regardais sur Internet, j'ai vu qu'il y a plus de 30 plats qui sont 30 plats et arts culinaires qui sont classés patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et parmi eux, il n'y a que deux, deux ou trois, si je ne m'abuse, qui sont euh, africains. Donc le travail, il reste à faire. Les autres, ils ont supporté la leur. Pourquoi pas nous Moi, je me dis qu'on est capable. Et pour cela, il faut que l'État s'implique. Il faut créer... Euh, il faut faire des élections de plats nationaux, de plats régionaux pour pouvoir les porter à l'international. Mais tant que l'État ne s'implique pas, tant que tout le monde ne s'implique pas, c'est pas possible. Mm. Les autres, ils ont réussi, nous pouvons réussir. Là, votre cuisine, elle est écrite. Est-ce qu'on peut euh, s'attendre à un futur restaurant de Madame Hawa Peut-être, je garde le suspense. <laughs> ok. Là, le livre 1, il est disponible dans les librairies non, pas encore. Non, pas encore. On a fait le lancement. Euh, on a voulu faire le lancement et euh, comme c'est une auto-édition, euh, la production suivra après. Les dates vous seront communiquées ultérieurement. <laughs> Ok, super, nous serons au aguets. <laughs> Pour quand le livre 2 alors Et à quoi devons-nous nous attendre Ah, il y a plein de surprises justement, il y a tellement de bonnes choses parce que dans ce tome 1 les gens fêtent, ils me disent Hawa, il n'y a pas Fankasu, Hawa, il n'y a pas ceci, Hawa, il n'y a pas cela. Je dis Attendez, le reste, le meilleur est derrière. Il y a, des plats comme le sakadawa, il y a des plats comme le haro, il y a des plats comme le Foi que j'ai découvert aussi <laughs> avec euh, <laughs> à travers euh, la collecte de données de ce livre des plats comme le huran shinkafa de Difa que même les vieux ont oublié. Alors, euh, j'ai envie de le faire découvrir et le partager à tout le monde. Une histoire de dire qu'au Niger, euh, on n'est pas prêt de finir et de découvrir notre patrimoine culinaire. Ah, Justement, là, vous parlez de collecte. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que vous, vous euh, vous craignez de rencontrer des difficultés justement dans cette collecte Est-ce que vous aurez besoin de voyager Comment ça va se passer Parce qu'il y a plein de tomes qui, arrivent. Euh, franchement, j'improvise, euh, j'improvise au fur et à mesure parce que ce projet, je l'avais pas, il est venu comme ça, donc j'improvise. Mais euh, le Nigérien, il aime partager. Donc, beaucoup de gens, ils partagent leurs recettes, leurs plats avec moi. Et je crois que ça va être aisé vu comment la chose a commencé. Je suis sûre que ça va être facile. <laughs> D'accord. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et une belle aventure culinaire. C'était un plaisir, de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Avant de finir, j'aimerais quand même ajouter que Beaucoup de gens m'ont aidé. J'ai, euh, à travers ce livre, une synergie est née. La solidarité africaine, je l'ai sentie euh, à travers ce livre. Franchement, là, certes, c'est moi qui l'ai écrit, mais ça me dépasse ça me dépasse. Et <laughs> non, et je, tenais, vraiment à le dire. Mm. Euh, on a commencé à être désespéré au Niger parce qu'il y a une espèce d'individualisme qui est né. Mais à mm. travers ce livre, les gens, j'ai remarqué que les gens commencent à revenir euh, aux valeurs d'antan et ça fait plaisir. Si ce petit livre peut faire naître des synergies, ah, ah oui. Voilà, sa fenêtre de l'espoir, donc c'est super. Ah. On souhaite vraiment accomplir de <laughs> belles choses, de grandes choses tous ensemble. <laughs> voilà, c'est. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo. Oui, dans la rubrique justice de ce lundi, on va s'intéresser au droit des obligations où nous allons parler de la lésion, un terme juridique que nous sommes pressés de découvrir avec nos auditeurs. Oui, évidemment, nous essaierons de voir avec notre juriste Abdulhazak Mahazou ce que c'est que la lésion et son champ d'application, mais également son régime juridique. On l'écoute dans cet entretien avec Taman Fouré Ahmed. Maître, qu'est-ce que c'est que la lésion en droit des obligations, la légion désigne les déséquilibres contractuels au moment de la formation du contrat. Très simplement, cela signifie que les obligations contractuelles sont déséquilibrées. Donc, un des co-contractants reçoit plus que ce qu'il ne donne pas. Par exemple, admettons que vous vendez votre smartphone flambant neuf à un camarade de promo. Vous lui vendez pour 20 euh, 000 alors même qu'il est en parfait état. À ce moment-là, le contrat est déséquilibré. Votre camarade reçoit un objet d'une valeur largement supérieure à 20 000. Il y a donc lésion. Quel est le champ d'application de la lésion Le champ d'application de la lésion se rapporte au contrat synalgmatique. Pour rappel, un contrat synalgmatique est un contrat qui crée des obligations réciproques entre les parties. La légion concerne donc un contrat synalgmatique parce qu'un contrat ne peut être déséquilibré que s'il prévoit des obligations réciproques à la charge de chacune des parties contractantes. Quelles sont les conséquences pouvant découler en cas de lésion Les conséquences qui peuvent en découler en cas de lésion, c'est la nullité du contrat. Mais attention, ce ne sera pas toujours le cas. Le principe est en effet l'indifférence à la légion. Donc, ce n'est que dans certains cas que la légion permet eh, d'évoquer la nullité du contrat. Autrement dit, la légion n'est en principe pas une cause de nullité du contrat. Elle ne l'est que lorsque la loi en dispose autrement. Il s'agit des cas suivants. D'abord, lorsque eh, la légion entraîne la nullité du contrat si la contrepartie est illusoire ou dérisoire. Par exemple, je vous vends mon smartphone à 20 000, on peut considérer que la contrepartie est dérisoire et donc le contrat est nul. Ensuite, euh, en cas de vente d'un immeuble de plus de 7 douzièmes à la valeur de l'immeuble vendu, le contrat peut être annulé pour cause de légions On parle de récision pour lésion. Cela donc signifie que le vendeur reçoit un prix inférieur aux 5 douzièmes de la valeur réelle de l'immeuble. Il peut donc demander en justice euh, euh, l'annulation de la vente mais il faut rappeler qu'il y a certaines ventes d'immeubles qui ne peuvent pas être rescindées pour cause des légions. Ce sont les ventes d'immeubles qui sont faites par une autorité de justice. Admettons par exemple qu'un immeuble ait une valeur réelle de 3 millions. Je vous vends cet immeuble à 500 000 francs CFA. À ce moment-là, je peux demander la rescission de la vente, donc l'annulation de la vente pour cause des légions. Enfin, la légion est une cause de nullité du contrat si et le contrat est conclu par un mineur. Quel est le régime juridique de l'action à récession pour lésion Le régime juridique de l'action à récession pour lésion se rapporte au délai de prescription. L'action à récision pour lésion doit être exercée dans un délai de deux ans par le vendeur. Et dans les cas où les experts qui sont désignés par le juge concluent qu'il y a effectivement eu lésion de plus de cette vision du prix de la vente immobilière, alors euh, deux possibilités s'offrent à l'acheteur. Soit il décide d'abandonner la vente, ce qui entraînera la restitution de l'immeuble au vendeur et la récupération de l'argent versé par l'acheteur. Soit l'acheteur maintient la vente et il paye, dans ce cas, le complément du prix. Il faut rappeler ici qu'en cas de maintien de la vente, le juge peut décider de punir les vendeurs qui n'avaient pas accompli les diligences nécessaires pour connaître le prix du marché de son immeuble. Il sera donc euh, sanctionné à hauteur de 10% de la valeur vénale du bien immobilier. Merci bien Tarnan. Les prochains sont sur notre place du jour et dédiés à des hommes courts. Il s'agit du célèbre groupe Tasco de l'Aïr qui fait la fierté de la région d'Agadez. Thank you. la cantatrice fait l'éloge des hommes de petite taille. Pour elle, ce sont des vaillants, des braves. Le choix quand tu nous tiens, elle souhaite avoir un mari remplissant ses critères. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangou, co-animée par Rabia Meikano et Habiba Ahmed. Place à l'écho des régions. Oui, Rabi, dans les quartiers de Malawa, situé dans la commune urbaine de Bruninkoni, une association de jeunes du quartier vient de prendre une mesure qui permettra de lutter contre la vente et la consommation des stupéfiants. Un fléau qui inquiète les parents résidents du quartier. Le reportage est signé Assouman Moussa Arzika. Mettre fin à la consommation et la vente des stupéfiants par certains jeunes du quartier de Malamawa situé dans la commune de Bininkoni est l'objectif visé par l'association des jeunes du dit quartier et c'est là pour soulager l'inquiétude des parents résidents du quartier qui sont contre cette pratique. Malam Sani, présidente de jeunes, explique. to dalili haka nan sha dalili haɗuwar mu ko matasa su sun ka ba mu goyon baya sun ka ce matsayina na president sun ka ce sun ja reunion saboda wa'annan abubuwan a samu ai maganin su akwai dai shaye-shaye haka akwai kuma sai da kwaya akwai kuma cin mutuncin magabatan su. iyaye yannai to duk dai wa'annan abubuwan suna muke son mu samu mu dan gyara su dai jakin mun kai ma hakimi shi hakimi shi san matakin da zai doka eh to ka jiwa da mun ka ashi matakin kuma ya kama da wanda an ka gani shi na yi kenan ashe a yau delegation a zo a ga iyayen shi da wasu dai magabatan shi to an kai wannan abin in ya kiya to kenan hakimi yanzu hukunci ya rage gare shi abin shi kuma da zai shi ina zai kan shi to wannan daga gare shi na wannan dai kuma tunda mutum ya sha shi na iya hita ya duko abin mutum shi na iya tashi kashi ma mutum shi sha sha shi na an mataki na farko da laihi tunda in mutum sha komi shi na iya aikata to dalilin haka mun ka diya mun ka gani duk dai kannan mu na diyan mu na kuma da yannan mu to su mun ga ya kamata a zamna da su ma sha sha da mu duk mun ka zamna kuma kowa ya ba da haɗin kai har su su ba da haɗin kai sun yarda da wannan mataki to kun kina alhamdulillah tunda Les parents résidents du quartier accueillent cette initiative prise par les jeunes abra uver yi murna game da irin matsalolin da muke ciki cikin waje wallahi harkar da muke ciki babu daɗin ta matsalan wajen harka waɗanga yara da sun ka dame mu cikin wajen ga abinda duk sun ka ga dama shi suka ko mahaluki duk na duniya biyu ya ga waka titi na wanga waje sai ya ji abin babu daɗi gare shi mun muna goyon baya game da duk wanga lamari da ya faru Allah ya sa ai lahiya ai kare lahiya Allah ubangiji shi taimaka Allah ubangiji ya sa mana hannu wanga lamari Allah shi mana maganin shi to wannan mataki gaskiya hakika ne mataki ne mai kyau saboda ita harka yanci ta shaye-shaye ce dole sai an sa ido duk ta'addancin da gana ana yi shaye-shaye na tun da sha'an shaye-shaye an kawo da hankali ta nuna musu su yi abin da bai kamata ba a zuwa iska kana waya a yi ma kwace a iska mutan ka ɗauke mutan ka a gan ka ce a hido ma adda ko yuka a ce a sare ka kawo shi ke faruwa ne birnin kwanne a cikin unguwarsu. a to an ga mataki da matasa sun ka ɗauka mu ganin muka ma ai sun ma makara gare shi saboda idan an ka ce matasa sun haɗa kansu dangance da wannan shaye-shayen za su yaƙi yaƙi da shaye-shaye ai eh, da sai da ƙwaya mu da mun daɗe muna jiran wannan saboda idan sun kaɗa wannan mataki ai abin zai da tasa idan sun ka riƙe wanga wato ƙoƙari da sun ka ce za su yi na yaƙi da fama da shaye-shaye wanda matasa ga yi a cikin nan birnin kwanni ai mu abu ya mana daɗi saboda shaye-shaye shi na sa yaro ta hanya kala-kala Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. A à présent la page sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Alors, nous allons débuter cette page des sports avec la clôture de la phase des phases finales du championnat de la Ligue nationale. Eh bien oui, Rabi, toutes les huit régions du Niger ont été représentées dans ce championnat à Maradi. Le Kandarga FC de Zander a été sacré champion dans une finale qu'il a opposée au Dendi FC de Gaya. Victoire du Kandarga sur le score de 1 but à 0. Sachez que les deux équipes ont assuré leur montée en Ligue nationale avant cette finale. Un peu plus tôt, la Estoudou d'Agadez a décroché le troisième ticket pour accéder en Ligue, nationale. Le club de l'Aïr a battu celui de la capitale, à savoir Ouragan FC de Niamey, sur le score de 2 buts à 1. Adam, après le football, parlons à présent d'arts martiaux dans la région de Tilaberi. Eh bien, Abiba, plus précisément dans le département de Baleara, qui dispose d'un seul club de taekwondo. Cette discipline, très aimée par les jeunes du Tagaza, rencontre malheureusement d'énormes difficultés. Zakariaou Alhamdou, ceinture noire, quatrième dan de taekwondo et entraîneur du club Baleara, explique la situation qui prévaut dans cette localité au micro de Hasumi Karimou Gourouza. On a à peu près quelques éléments qui participent aux compétitions nationales. Vous avez euh, au, nombre combien euh, de pratiquants Bon, pratiquants, euh, maintenant, je ne peux pas, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la liste avec moi. Parce que d'autres viennent, ils s'inscrivent, quelques mois, au repas. Vous voyez, donc, ils ne s'arrêtent pas. Je ne vais pas faire le compte comme ça. C'est un problème social ou bien c'est les parents qui Bon, moi, je dis c'est les parents, parce que c'est les parents qui les amènent, ils les inscrivent, après, ils ne les tiennent pas. Parce que sans les parents, sans l'aide des parents, ça ne va pas évoluer. Parce que les parents ne payent pas. Si l'enfant n'arrive pas à payer, donc il ne peut pas revenir. Vous avez combien de filles Bon, on a à peu près jusqu'à 5 filles comme ça. Oui, maintenant, il n'y a que les deux qui restent. Ça aussi, c'est le problème des parents, problème de mensalité. Mais maintenant, euh, est-ce que vous participez à des compétitions au niveau de Niamey Bon, on, a pu participer à Niamey jusqu'à deux rencontres. On a pu organiser un, un interclub ici même à Bel Et on a l'intention d'organiser un d'ici une semaine, ici à Bel même. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez Les difficultés, vraiment, elles sont beaucoup parce qu'on n'a pas d'aide au club et les enfants n'arrivent pas à payer. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. J'ai convoqué des réunions avec les parents, ils ne viennent pas. Mais moi, je fais ça juste parce que j'ai l'amour et j'ai le temps pour le faire. Oui, on a un bus ici à Bel on s'entraîne là-bas. Les autorités départementales ou communales ne vous aide pas Bon, vraiment, ils ne nous aident pas. Même la fois passée, on a eu une invitation à Niamey pour une compétition. On n'a pas pu aller, manque de financement. La fédération ne donne rien Bon, pour la fédération, maintenant, on n'est pas affilié. Donc, il ne peut pas nous aider. Donc, on appelle toujours l'aide des parents d'élèves. Parfois, d'autres donnent, parfois, d'autres nous négligent comme ça. Mais moi, je veux que vraiment qu'ils encouragent les enfants. Parce que le taekwondo, c'est un art vraiment populaire et c'est un art qui aide mentalement et physiquement. Tu vois parce qu'il est international, mais même Niger est international à cause du taekwondo. Donc moi, j'ai fait un appel pour les parents d'élèves, vraiment qu'ils aident les enfants à venir. Eh bien, Rabi, c'est la fin de cette page sport. Merci bien, Adam. À bientôt pour notre page sport. Après les sports, allons découvrir notre star du jour dans la rubrique portrait. Oui, Habiba, notre étoile du jour nous vient de Matamei dans la région de Zender. Maman Ali exerce le métier de taulier depuis des années. Très connu et apprécié dans sa ville, il a adopté ce métier après avoir abandonné les bancs de l'école. Il est au micro de Asuman Aboubakar. mota ta lankwashe mu tada a kawo ruwa mu mera ta budadda aikin da muke yi kenan to shi dai aikin namu gazi ne kala biyu muke hada akwai oxygen akwai carbonic da su ne da matrikil yanka aikin namu gasan da su ne muke gama muke yin su dekin to kai ka kake aiki ko kana aiki da wasu wasu daban haka sai sun ida sannan kai ka fara naka ko ko ne aiki a ni ne nake fara yi in na yanke na bude sai a mika ta wajen mai runwa daga baya he runwa eh to kamar da wani irin lokaci da wani irin lokaci kawai mota in dai mota ce mai sasi ko ma ta iri ce ana bude ta in dai tana da sasi kurum saboda wanda za a labta ma kaya ta yi aiki ba kanana ba irin wannan hawa su wanda su bisu aikatuwa eh he mai sasin ba wanda za ta dau kaya sosai to kamar yanzu nan wani amfani ake da su ne yanzu dai nan ya kasanta kashi-kashi wa'ansu suna ta yi su dauko shinkawa wa'ansu su dauko dawa wa'ansu su dauko fasaje kenan kowane da kala aikin shawara kun ba su samu matsaloli haka tun da ai aka fito su kamar balance wannan a matsaloli dama ko irin hana na aka su ai shi fa in ya zo yana kama ni amma dai suna aiki da su saboda Allah suna jima saboda zai ta yi shekara uku hudu ana neman abinci da ita cikin wannan aikin naka kai ina ne ka kuma shi nan ka kuma shigo ka sai wani wuri ne ka samu wani kusa eh ni dai wasu na aikin gadashi shi sai nai gadar ma'aikina na tasa a gidanmu ina karatu na ta bakin katiriyam an yi rambuwaye ina kuma da aka yi rambuwaye ina he tsoho na ya ce in zo in kama aikin da yake yi in kama mai kuma a nan ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan daman tun ina ƙarami in an yi kansu ina zuwa ina kama a nan ne na koyo shi ni kudin. Yanzu ka wannan aiki. Eh. Kana da wani wanda kake koya ma shi ko kai kaɗai a ina da yara da dama mana akwai kanina daga gidan mai na zawa kuma akwai yaro na guda yana nan akwai gudan shi kuma shi bai zo ba yau akalla kamar yara uku dai suke kalgashi na to wannan aiki wani amfani ake samu eh gaskiya mu amfanin shi muna ci muna sha muna ruwa ma kan asiri kurum shine amfaninmu da shi kamar nan karkarar nan kai aiki wannan aikin ko mutane da yawa suna eh gaskiya muna da yawa akalla mun kai kamar goma eh dukan shi irin su ne kowa irin shi ne ke yi motocin nan ne ko ko an jira masu suna kawo aiki a a gaskiya sai dai motocin karkara yan Najeriya ba su kawo motocin shi bakin na karkara ne dai na cikin gari da na gefen gari haka komin komin to shi wannan aiki yanzu kuka yi shi ba ke warware a fuska na ga aiko ne kuke ne. ake mai da ta kamar yanzu aikin ban ya tashi haka a gaskiya in dai aka yi shi sai dai kawai in kaga ya tashi dai ko accident in ya aksidan an gama guri yana barewa amma in dai aiki ne wannan kawai lahiya launi wannan to kun kamar ba ku samu matsala da iko suna tambayar ku ya akai kuka mai da su tun da ne yanzu gashi kun mai da su pick to babu pick up din ne shi yasa dole ne ta kama haka nan in ka ce kana neman ta gaskiya wahala za ka sha to cikin wannan tafiyar aikin nan matsala to duk aikin da mutum yake baiwa ce ai shakana akwai matsaloli mana wani sa'in babu aikin wani sa'in kuma ta kayan aiki saboda ba nan ba muke sai mun ta Najeriya matsala kana aiki ka ya kare ma sai ka ta Najeriya ka so kana to yanzu kuna samun kamar wani tallafi bisa ko da wani ya zo ya kama muku ne ko wani karin ilimi haka gaskiya mu dai babu wanda ya taba zama ne mana ko tallafi ko karin ilimi gaskiya sai dai ko gaban ne yanzu dai babu wanda ya taba mana ni dai kira na kurum ga matasa a tsaya a koyi sana'a kurum ko ya take kurum ko ya sana'a take mutum ya tsaya ya koyi sana'a a gidansu ya yi. Merci bien Asuman pour ce portrait. Pour la dernière musique de cette édition, on reste toujours à Agadez pour écouter du tandé des femmes d'Agadez, un instrument musical purement traditionnel des Touaregs nomades. Les femmes chantent et les hommes dansent au rythme de cette chanson. que les femmes du studio Kalangu nous ont préparé comme loti aujourd'hui. affairage, affairage, affairage. affairage. Lucie, je ne savais pas que tu étais un cordon bleu. Merci ma chérie. Quand il s'agit de faire des bons plats, tu peux compter sur moi. Hmm, sois modeste au moins. Modestie, ah, ça c'est pour les faibles. <laughs> Attends, je vais me laver les mains dans ta cuisine. Tu connais les chemins, fais comme chez toi. Qu'est-ce que je vois là Gambi Gambi Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi cette cuisine Comment ça Nya, nya, Tu ne vois rien d'anormal Non. Toi, tu vois quoi Et tu es sérieuse là tu ne vois pas l'état de ta cuisine Tu ne vois pas qu'elle est sale Non, c'est parce que je viens de préparer. Pas du tout. Regarde toute cette crasse incrustée. Tu vas me dire que c'est ta préparation d'aujourd'hui. Tous ces taches et assiettes entassées. On dirait que tu as fait un siècle sans faire la vaisselle. Ouais, ouais, ouais, ouais. Hé, laisse-moi tranquille. Tu ne vois pas que je n'ai personne pour m'aider entre le boulot, l'entretien des enfants et de la maison, je n'ai vraiment pas le temps de ranger une cuisine, franchement. Je suis dépassée. Tu n'as pas le temps. Et pourtant, c'est la pièce de ta maison qui doit être la plus propre parce que tout ce qui y sort va dans la bouche. Tu ne t'inquiètes pas pour la santé de ta famille. En quoi ne pas laver les assiettes peut nous rendre malades Des mauvaises habitudes de nettoyage et une mauvaise hygiène personnelle peuvent entraîner une contamination des aliments, des intoxications alimentaires et la propagation d'infections. Hein? Mais oui. Comment assurer une bonne hygiène dans ma cuisine alors Tu sais, les niveaux les plus élevés de contamination sont observés à des endroits humides par exemple, les éponges des cuisines, les torchons, les tuyaux d'évacuation des éviers et les poignées des robinets et la vaisselle sale. Commence déjà à jeter les miettes et les résidus alimentaires comme il se doit et laver ta vaisselle immédiatement. C'est le plus important. Essuyez les comptoirs avec du savon et de l'eau et les désinfecter. Nettoyez le planche pour enlever les aliments. Nettoyez toutes les surfaces y compris les portes du réfrigérateur, le four, la cuisinière et les autres électroménagers. C'est pas fini. Ne pas placer les ordures dans les airs de préparation des aliments comme cette poubelle pleine qui me donne envie de te gifler. Tu peux la mettre plus loin et bien couverte pour éviter d'attirer la vermine. Choisir un produit de nettoyage ou un désinfectant adéquat comme l'eau de Javel pour la tâche à réaliser. Mais dans la plupart de ces cas, de l'eau et du savon sont suffisants. Oui, oui, oui, tout cela. <laughs> tu penses que ta santé et celle de ta famille a un prix C'est tout, je vais voir si je peux le faire. Hein. je vais me fatiguer. Tu me fatigues tu me fatigues, Djamma. Donc, quand on te voit chic, chic, comme ça, dehors, ta cuisine est comme ça. Tu es arrivé là-bas Ça a même dépassé. Hmm. toi, je t'écoute. Quels sont tes autres conseils pour éviter les infestations de vermine Tu vois, Djamma, tu peux placer tes équipements et les matériels servant au nettoyage près de l'endroit où ils seront utilisés. Nettoyer le garde-manger régulièrement aux endroits où les aliments secs, les pâtes, les riz, les boîtes de conserve et les céréales sont entreposées pour éviter l'accumulation des miettes et des autres morceaux d'aliments. À les déchets régulièrement et adéquatement. Et toi qui ne veux pas grossir là, est-ce que tu sais qu'il y a une étude américaine qui suggérait que la personne laxiste laissant leur vaisselle à l'abandon tout comme le reste de la cuisine ont plus de chances de prendre du poids facilement Quoi Eh oui, il ne s'agit pas vraiment d'un rapport de cause à effet direct. Laisser sa vaisselle dans l'évier et empiler une montagne ne feront forcément pas de vous une personne obèse. Mais l'étude menée par le Food and Bread Lab Environment de l'université Cornell aux États-Unis en 2016 tend à montrer le lien entre l'état d'une cuisine et le stress ainsi que le comportement alimentaire. Va vérifier si tu veux. Il est normal que de la graisse s'accumule dans la cuisine lors d'une utilisation quotidienne, qu'il s'agisse d'assiettes d'électroménagères, des plaques, des fours, des grilles de cuisine, etc. Et elle est surtout très difficile à enlever et comme je rentre souvent très fatiguée, je ne perds pas mon temps sur ça. Mais là, je me rends compte que j'avais tort. Gambi, pour être honnête, je reconnais que ce n'est pas une tâche facile. Au contraire, c'est un travail à forte intensité de main-d'œuvre. Mais tu peux utiliser bicarbonate, le vinaigre blanc ou les citrons mélangés à un peu d'eau tiède et du gros sel pour le nettoyage de la graisse. Et le tour est joué. Ça a l'air si simple dans ta bouche, mais je me dis qu'avec de l'organisation et de la motivation, il sera possible pour moi de le faire systématiquement après chaque repas. Il suffit d'en prendre l'habitude, je pense. Et voilà, <laughs> voilà, merci beaucoup, Jamma. Je verrai à ce que ma cuisine soit bien propre dorénavant. Tu as intérêt. C'était le loti de l'équipe femme du studio Kalango. Merci Rekarimi, merci Maria Madé. Passons à présent à la rubrique culture linguistique et ça sera avec Jackie Dalton. Hello and welcome. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots liés à la famille, en effet. Nous allons commencer avec le mot famille. Savez-vous comment dire famille en anglais? C'est family. Family. My family ma famille. Maintenant, les membres de la famille. Commençons par les parents. Le père en anglais se dit father, father. Très difficile à prononcer si vous êtes francophone, le th c'est très compliqué, mais essayez quand même. Father. Et mère c'est mother, mother. Father and mother. Passons maintenant aux enfants. Alors, fille en anglais se dit daughter. Ma fille, my daughter. My daughter. Et pour fils, le mot en anglais est son. Son. En fait, son » en anglais, ça veut aussi dire soleil, mais c'est écrit un peu différemment. Donc, pour fils, c'est son ». Maintenant, écoutons un exemple de conversation en anglais. Do you have any children? Do you have any children? Avez-vous des enfants? Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Oui, j'ai une fille et un fils. Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? I have no children. I live with my mother and father. I have no children. Je n'ai pas d'enfants. I live with my mother and father. Je vis avec ma mère et mon père. Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? I have no children. I live with my mother and father. Et voilà, vous avez appris les noms des membres de la famille en anglais. Je vous invite maintenant à faire un petit quiz pour tester si vous avez réussi à retenir. Alors, première question. Quel est le mot en anglais pour famille La bonne réponse, c'est family. Comment dire père en anglais Eh bien, c'est father pour dire père. Et comment dire mère en anglais Eh oui, c'est mother et comment dire fille C'est daughter. Ma fille, my daughter. Et enfin, fils en anglais. Les fils, ils brillent comme le soleil, on utilise le mot son. Family, father, mother, son, daughter. Family, that was today's English word. Merci Jackie depuis Lausanne. cher auditeur. merci encore de l'intérêt que vous portez

mu ba su akan tunda su suna aiki da yanar gizo-gizo suna wallafa duka abubuwan da suka yi a shafin su na facebook a facebook ma muna tare da su kiranmu da su muna afirka musamman ma nan nijar matasa sun fi amfani da harshen hausa ya kamata a ce idan za su dinga yin post su dinga yin na hausa za su gani yanda za a dinga bibiyar su ɗari bisa ɗari kamar yanda su BBC ake su doce bala za su gani. Muna musu fatan alkhairi muna kuma fatan za su ci gaba da shirye-shirye wanda suka fi wannan ma. Kuma wannan shirin da suka fi na kwanan nan ma Wannan shirin shi ma yana yi sosai sosai. Daga ƙarshe ina gaida dukkan ma'aikatan Radiyo Studio Kalangu da ma'aikatan gidajen radiyyika na Nijar baki ɗaya. Akwai abokina mutar Basiru wanda yake gidan Radiyo Shukura Zandar. Akwai babban daraktan nasu Ali Keta. Ina gaida abokina Babaye Gambo. Akwai Babaye Lefe. Ina gaida 'yan kungiyar haɗin kan matasan afirka na jamila studio kalangu muna jin daɗi muna kuma jin daɗin da ake wayan muna da kai na dangin rayuwa da bidan incin kanmu gaskiya muna farin ciki da shiya muna jin daɗi saboda mu abin nan da an ka buɗa kawai abin gana an kai mana kawai ci gaba na mata ana samu cikin sashi ana tunuwa da mu ana waye mana kai gaskiya muna jin daɗi ne gaskiya saboda ci gaban mana sunana muhammad nazir masaud abdulkarim bidiyo kalan gude muna muna mata fatan alkhairi sai dai mu ce daga cikin shirye-shirye da suke akwai shirin na wanda ake kamar bayyana batu na basa fada ana yawan tattaunawa a basa kan abin da yake rayuwar mu ta yanzu eh to gaskiya wannan shirin yana da kyau a ƙara kaimin shi kenan saboda ko ina cikin ƙasa a rinka jin shi duk da ma dai suna da shirye-shirye masu kyau ina gaishe da yan uwa da abokan arziki musamman ma Isma'ila Alhaji eh, Isahak. Kuna magana da Ahmadu Mafi Mushkila. Eh wannan shirye-shirye na gidan radiyo wannan mai albarka. Ubangiji Allah ya yabu kashi muna jin daɗi sosai sosai. Alheri ne Allah ya ƙara ɗaukaka shi da wanda suka yi tsaye a kan shi Allah ya ɗaukaka su. Ina gaida duka jama'a kowa da kowa. Point final de cette édition du lundi 18 septembre. On se dit à demain avec un nouveau duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Rabia Mekano. L'édition a été assurée par Adama Dawaki et la technique par Seni Isaka. Très bon après-midi et bon début de semaine à tous.